le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord la visite du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire et au Niger le week-end dernier. Nous parlerons aussi de la désormais place euh, lieutenant-colonel Hassan Anoutab lundi à Niamey. Nous terminerons avec euh, ce débat sur euh, la nouvelle monnaie de l'Afrique de l'Ouest, euh, l'ECO. Pour analyser ces faits, nous sommes avec Gary Amadou du quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Hussein Issa Jibo. bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans ce forum de la presse de cette année qui s'achève. Nous l'ouvrons par la visite dimanche à Niamey du président français Emmanuel Macron après l'étape de la Côte d'Ivoire. À Niamey, le président français s'est incliné sur les tombes des soldats morts à Inates le 10 décembre au carré des martyrs devant deux régiments de soldats français et nigériens qui lui rendaient les honneurs. Il a en réitérer sa demande à tous les cinq chefs des pays du Sahel en proie au terrorisme à définir de manière beaucoup plus claire les objectifs militaires, politiques et de développement. 14 éléments des forces de défense et de sécurité tués, importés et disparus, un véhicule brûlé et un autre emporté avec armes à bord. C'est le bilan provisoire d'une embuscade tendue par des hommes armés dans l'après-midi du mercredi contre l'escorte des agents roller de la Commission nationale électorale indépendante CENI. De retour d'une mission à Eza et Taguzara, à une trentaine de kilomètres de San frontière du Mali. Gary Amadou, Avez-vous d'autres informations sur euh, cette nouvelle attaque terroriste Oui, les informations qu'on a, c'est que euh, effectivement c'était une mission de la CENI euh, entre le village, le village de, je crois, Eza et, et Abala, qui a été prise à partie par une centaine de djihadistes. Les gens disent que, selon un des témoins, les djihadistes étaient complètement habillés en noir et masqués. Donc, ce qui ne permet pas de, les identifier en tant que tels. Mais certainement, c'est les combattants étrangers. Comme l'a dit le président de la République, euh, les combattants étrangers sont en train de renforcer les rangs de l'État islamique. Ceux qui quittent la Syrie viennent ici pour faire le... Bon, on ne sait pas encore exactement qui sont les assaillants. Donc, et, selon ce qu'on a appris, le premier tir est un tir de mortier, un tir d'obus qui a pulvérisé le, le véhicule de gendarme qui était devant, le premier véhicule. Et donc, ça n'est suivi des tirs. On dit que les assaillants étaient à moto, certains embusqués dans les trucs, certains sur des, au, niveau des collines. C'était une centaine d'assaillants. Quand on connaît le dispositif d'habitude qui accompagne euh, des 4x4 pour aller, on comprend que euh, c'était complètement difficile pour les, les, les, les éléments de la gendarmerie et de la garde nationale de tenir tête. Selon ce qu'on a appris, ce sont les éléments de la garde nationale et les éléments de FUNIS qui ont dit aux civils d'évacuer, de retourner, de replier, et qu'eux, ils vont essayer de, de, de, repousser, pensant certainement que ce pas des combattants nombreux. Et donc, après, quand ils ont vu que, plus, après une vingtaine de minutes de tir, ils se sont, ils ont tenté de se replier. Visiblement, ils ont été rejoints par les djihadistes qui les ont pratiquement tués. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que je m'incline encore devant. Là-bas aussi, les renseignements ont fait défaut. Non, vous savez, ce qui, moi, ce qui, moi je vous dis aujourd'hui, euh, moi, je ne voulais pas venir au débat tellement j'étais peiné. Parce que vous savez, ce qui, ce qui me choque le plus, Sfilengue, c'est quand même à côté de Niamey. Au fait, où sont nos avions Où sont nos hélicoptères C'est-à-dire, eh, je dis, tu es choqué. Parce que pour moi, je me dis, là, on a eu le temps quand même d'envoyer des, des, messages. Donc, c'est des hélicoptères qui décollent. Ce pas des voitures qui vont venir à, terre, par, eh, euh, comment on appelle, par voie de route. Non Les ASEAN sont à la frontière malienne. Ils ont le temps de commettre l'autre fait de traverser. Ce qu'il faut, c'est des moyens aériens, c'est un hélicoptère, c'est des hélicoptères pour venir, pour les poursuivre. C'est ça qui peut se. Mais sinon, mais des véhicules qui quittent Niamey, par exemple, ou qui quittent Filingue, pour aller vers ça. Mais combien de temps ils vont mettre pour arriver à, l'endroit où, où, a eu l'embuscade Mais avant-hier, quand les, les, les, les, Burkinabés ont neutralisé 80 terroristes, mais c'est des hélicoptères qui ont, qui ont décollé, qui ont fini le travail. C'est comme ça qu'on fait. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Moi, je vous dis, j'étais peiné. Hein. Je ne voulais, je voulais pas venir au débat parce que j'étais tellement démoralisé par ce qui se passe. Je ne comprends plus rien. Je me dis que non, notre armée, quand même, n'est pas aussi tombée. Comment ça peut se faire Qu'est-ce qui se passe au, fait, c'est quoi le problème On peut attaquer. Moi, je, peux comprendre qu'on soit attaqué à brousse. Mais quand même, quand on vous dit que c'est une centaine d'assaillants, comment se fait-il qu'on n'a pas de moyens aériens pour partir contre-attaquer ou quand les assaillants vont, chercher à traverser la frontière, qu'on puisse les neutraliser. Moi, ça me fait mal. Moi, j'ai mal au cœur. Qu'on dise que pratiquement tous les éléments qui escortaient la, mission sont morts. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est ce que ça veut dire parce que personne n'est revenu. Personne n'est revenu. C'était deux 4-4. Ils ont déjà détruit l'autre 4-4 qui cherchait à retourner. Quand elle a vu que la puissance de feu des terroristes était, était supérieure, certainement qu'ils ont été rattrapés et tués. Ils ont brûlé un véhicule, ils sont partis à un véhicule avec 12-7. C'est ce qu'on a appris. Vous vous rendez compte mais donc, moi, je vous dis que je suis démoralisé. C'est-à-dire que je ne peux plus rien faire, Mokhtar. Euh, Gary Amadou, que retenir de cette brève visite euh, du président français Emmanuel Macron au Niger et euh, du contenu de ses déclarations Vous savez, d'abord, la visite, c'était très bien de venir quand même se recueillir sur la tombe des soldats qui sont tombés à Inates. Ça, c'est un acte qu'il faut, qu'il faut effectivement saluer. Et on peut reprocher tout à Emmanuel Macron, sauf le fait qu'il ne soit pas franc. C'est quelqu'un de très franc. Et donc, il a répété ce qu'il avait dit, qu'il veut que les chefs d'État disent clairement ce qu'ils veulent. Maintenant, à chacun de se déterminer. Donc, lui, il ne fait pas de jeu de cache-cache. Vous savez, lui, Emmanuel Macron, c'est pas un. Il est plutôt contre la colonisation. Il est plutôt contre l'impérialisme. Il veut que les choses soient claires. Lui, si les gens lui disent quitter, il quitte. Mais maintenant, vous savez, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu qui font que est-ce que ces puissances occidentales sont prêtes à quitter la zone là, même si on leur disait de quitter. Ils disent que non, ils ne sont pas là pour des intérêts. Bon, mais vous savez, l'information, la dernière information, c'est que les États-Unis ont annoncé qu'ils veulent quitter la zone du Sahel. Ils veulent, par exemple, évacuer la base aérienne là, qui est à Agadez, la base là, des drones. là. Il y a un processus qui va amener à, à ce qu'ils quittent cette base là. Et vous savez ce qu'ils disent Ils disent que non, ils vont se redéployer vers des, vers des, zones où ils vont essayer de contrer l'influence russe et chinoise. C'est clairement dit dans le document. Contrer l'influence russe et chinoise. Donc, vous savez, c'est-à-dire que on peut, on, peut, tout nous dire, mais il y a des intérêts qui sont là, qui ne, qui ne, disent pas leur nom. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Aujourd'hui, on se rend compte que si on ne fait pas attention, on est en train de perdre la bataille contre les djihadistes. L'armée du Burkina est en train de reprendre l'initiative du terrain. Mais nous, apparemment. On ne fait que subir. On est en train de subir. Et c'est un problème. C'est-à-dire, il faut que les gens en parlent. C'est-à-dire, il faut pas qu'on dise que non, non, non, il faut pas en parler. On... C'est pas pour démoraliser les. C'est pour qu'il y ait un sursaut. Si les gens ont eu l'audace d'attaquer, il faut avoir le, moyens moyen de les neutraliser. Il faut avoir le moyen de les neutraliser. C'est les moyens aériens, Mokhtar. C'est évident. Ce n'est même pas la peine de raconter ça. C'est pas par voie terrestre que vous allez prendre des véhicules qui vont faire deux heures de temps pendant que les gens ont fini de tuer les gens et puis retourner. Non, ça ne marche pas, ça. Hussein Issa faut-il euh, s'attendre à des améliorations dans la sécurité après cette euh, visite du président français Emmanuel Macron à Niamey? Bon, mais vous savez, euh, il n'y a aucune amélioration en vue. Hein. Il n'y a aucune amélioration en Dans tous les cas, ma a fait le déplacement euh, d'abord de la Côte d'Ivoire. C'est pour entériner, comment veut dire, l'entrée en vigueur de l'écho qui va remplacer le franc CFA. C'est ça le, premier objectif. Il a fait 48 ans en Côte d'Ivoire avant de venir pour passer quelques heures, deux heures de temps ou trois heures de temps ici au Niger. Il n'est pas venu véritablement, il est venu pour se recueillir sur les tombes euh, des, soldats tombés à Inates, mais véritablement, ce n'est pas là l'objectif principal, c'était la mission d'Abidjan. La mission d'Abidjan étant euh, conclue, il fallait venir au Niger au moins pour compartir un peu. Maintenant, quand il est arrivé au Niger, c'est le même discours qu'il a tenu. Le même discours consistant à dire que, bon, il y a un sentiment anti-français qui se développe de plus en plus dans les pays euh, euh, du Sahel et qu'il ne peut pas admettre que euh, ce sentiment puisse se poursuivre parce que si les gens n'ont pas besoin de la France, les gens n'ont il va demander parce qu'il n'a pas décidé de faire venir ce que le président, les différents présidents ont fait appel à lui pour l'implantation des troupes. C'est une façon claire de leur dire, bon, ou bien vous faites vous faites faire vos opinions nationales, ou bien moi je vais retirer mes troupes et je vais vous laisser dans la mer. Mais le problème qui se pose fondamentalement par rapport à cette question, c'est que euh, euh, euh, les gens qui, manifestent, les, citoyens qui manifestent, ils ne peuvent pas comprendre, comprendre que les troupes françaises avec des moyens de guerre sophistiqués soient sur nos territoires et que des djihadistes qui viennent à moto ils conduisent par centaines souvent, et avec des véhicules, avec des armes lourdes et tout Ils arrivent, ils font des frappes, ils font des frappes très dures et parviennent à se retirer. C'est ça véritablement le problème au niveau des citoyens. Et ça, on ne peut pas le faire taire. Macron en personne a des problèmes chez lui par rapport à la retraite. Il, est confronté à cette situation-là. Il ne peut pas faire taire son opinion nationale, son opinion publique. De la même manière, le président je ne vois pas un président qui peut faire ses opinions. La preuve, euh, en dehors du président Issouf qui a dit qu'il va tout faire pour que il a besoin de plus de Barkhane, le président malien a clairement dit qu'il ne comprend pas, il faut redéfinir les relations entre la France et, et, un peu les pays du Le président Burkinabé aussi est dans la même logique. Dans tous les cas, ils n'ont pas contesté les manifestations qu'il y a chez eux par rapport à cette situation-là. Maintenant, le président nigérien, il a déjà fait des pas en interdisant au moins deux manifestations qui devaient être organisées par euh, la société civile par rapport à cette situation, la présence de troupes étrangères dans notre pays. Là, ça va dépendre de la pression, ou du moins du bras de fer qui va être engagé, pour lui montrer qu'il parle même de son territoire. Ce n'est pas son territoire. Il est président de la pour des mandats. Il a fini bientôt son mandat. En principe, c'est notre autre président qui va être élu. Alors, de ce point de vue, euh, on, on, sent un peu et le plus docile par rapport aux autres chefs d'État de la sous-région qui sont confrontés à la même situation, sinon de manière plus grave d'ailleurs. Et par rapport au financement de nos forces, bon, depuis pratiquement que cette seule guerre-là a continué, mais chaque fois on dit qu'il y a des collectifs budgétaires pour pouvoir renforcer, acheter. nos pays sont quand même des pays souverains. Sur le plan de la souveraineté, ça veut dire que tu dois d'abord créer les conditions pour la protection de, ton intégrité territoriale. C'est ça le premier aspect. Maintenant, pour les autres aspects aussi, tu dois créer les conditions pour que, ça soit, que, ça soit réalisé. Mais ce qu'on c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a un abandon, un abandon de cette souveraineté-là, qu'on a besoin de plus de forces étrangères pour venir nous euh, euh, protéger. Mais est-ce qu'une seule fois, eux, ils nous ont dit de venir pour essayer de les aider en dehors de la guerre mondiale, des guerres mondiales qu'il y a Est-ce qu'ils nous ont dit une seule fois Et là aussi, ils ne nous ont pas dit, ils sont venus prendre des gens pour les amener là-bas, parce que c'était des colonies. Mais est-ce qu'une seule fois aujourd'hui, dans le contexte du 21, e 21e siècle, ils sont venus dire aux gens, du 21e siècle précisément, venez nous aider Ça, jamais. Et de ce point de vue, je constate qu'il y a un abandon, ou du moins qu'il y a une démission de nos chefs d'État de la sous-région d'Israël. Ils sont tout le temps en train de tendre la main. Mais ils tendent la main, ça donne quoi comme résultat Ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans qu'ils sont en train de tendre la main pour le renforcement du G5 Sahel. Ça a donné quoi comme résultat Absolument rien du tout. Issa Madougou, quels sont les points forts ou manquements qu'on peut relever à l'occasion de cette visite au Niger du premier des Français Merci Mokhtar. Analyse de fond d'abord, c'est que c'est la même date deux ans après sa première visite au Niger. 22 décembre 2017, 22 euh, <laughs> décembre 2019, deux ans après. Ça, c'est la forme. Mais c'est que le premier signal que Macron a donné, c'est une leçon qu'il a donnée à nos chefs d'État. Je ne sais pas si ils ont analysé. Hein? Macron, quand il a décidé, quand l'Élysée a fait l'annonce euh, pour dire dans l'agenda de sa visite en Afrique, parce qu'il va fêter Noël avant. C'est ce qu'il a fait au Niger en 2017 qu'il est parti faire en Côte d'Ivoire. Pour dire c'était la période où les manifestations contre la politique française se sont intensifiées dans les capitales des pays du Sahel. Ils ont écouté l'opinion. Et ça coïncidait avec le drame de Inates. Lui. C'est ça qu'il appelle le sentiment anti-français. C'est ce qu'il appelle bon, anti-français. Mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle génération d'intellectuels qui sont capables de décrypter de lignes entre les lignes. Ce n'est pas contre les Français. Le français n'a rien à voir dedans. Mais c'est la politique française que les gens sont en train de décrire. Je disais que c'est un signal qu'il avait lancé euh, à nos chefs d'État pour dire que l'opinion ne devrait pas être écartée. L'expression populaire, il faut tendre l'oreille pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire quel, est le soubassement de cette colère générale. Et il l'a fait. Lui, il n'a pas fait pour nos chefs d'État. Il l'a fait pour redorer le blason de la France dans la zone. Il est venu compatir, se recueillir sur des tombes pendant une période de douleur, de deuil. Vous voyez, c'est ça ce que nos chefs d'État bah devront faire. Quand il y a une colère, il faut écouter tout le monde. Il n'y a pas, c'est pas le temps pour dire que non, ceux-là, ils font ça, ils font non. Il faut savoir utiliser les opportunités. Et aujourd'hui, c'est Macron qui sort gagnant. Je vous assure, cette visite que Macron a effectuée, même si c'est 30 minutes au Niger, Macron a gagné sur l'opinion publique. Parce que Macron a écouté l'opinion publique. C'est ce qu'ils devraient faire nos chefs d'État. Mais ils le font pas. L'arrivée de Macron à Niamey, moi je pense que il faut voir le fait qu'il a reconnu je ne veux pas rentrer dans le fond de sa conférence de presse qu'il a donnée, mais qu'il faudrait voir le geste. Il a, reconnu que la colonisation était une erreur de la France. Écoutez, Macron fait partie d'une nouvelle génération de politiciens français qui peuvent se retrouver en collusion avec les mêmes idées de ceux qui sont aujourd'hui en tête de la fronde des intellectuels africains qui rejettent la politique africaine. Chacun, c'est une école qui est là, c'est une nouvelle école. Donc chacun défend ses intérêts, ses Mais en tant que président français, il ne peut pas se, se soustraire de, cette, de ce positionnement de la France. Il ne peut pas le faire. Même si le contre c'est son courant, il ne peut pas le faire. Maintenant, le débat qu'il y a autour de la présence militaire, en fait, c'est que c'est nos chefs d'État aujourd'hui qui sont en train de faire en sorte que ce débat s'enflamme. Ce débat est directionné uniquement. Ce n'est pas quand les gens se disent c'est des questions de souveraineté. Macron avait raison quand il dit lui aussi, même si les, les gens pensent que c'est hypocrite. Moi, je pense que d'abord, il faudrait écouter les mots il dit c'est une question de souveraineté. Si les gens disent, bah, nous, on n'a pas besoin de vous, mais pourquoi on va être là-bas C'est une question de... Il faut respecter la souveraineté des États. Alors c'est pour cela que nos chefs d'État devront comprendre aussi cette, cette, volonté de défendre la souveraineté du pays qui pousse parfois la rue, l'opinion à se prononcer par rapport à ces questions. Parce que même dans la vie courante, quand vous êtes dans des relations avec une personne, tant que vous ne vous retrouvez pas dans cette relation, mais vous êtes obligé de dire merde. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans cette relation à encaisser des coups, à être dans une situation inconfortable pendant que l'autre qui peut vous aider ne peut pas le faire. C'est comme dans la vie ordinaire comme ça. Et c'est ce que les gens sont en train de décrire, Parce qu'on ne peut pas continuer. Tout à l'heure, Garé a dit c'est des morts, que ça démoralise. Mais il a raison. C'est l'ensemble, c'est la perception de tout, tout le monde. Il faut que les gens soient aujourd'hui objectifs dans ce qu'ils sont en train de faire. Gary la place publique de l'hôtel des postes de Niamey prend désormais le nom de la place du lieutenant-colonel Anoutab Hassan. Quel symbole oui, c'est une bonne chose, parce que cette place-là, c'est vrai, elle prend le, nom du lieutenant-colonel, mais c'est aussi pour les compagnons qui sont tombés avec lui à Inates. C'est une très bonne chose, il faut honorer ceux qui se sont battus avec bravoure, n'est-ce pas J'ai cru entendre que dans les prochains jours aussi, ou les prochains mois, il y aura un monument euh, des martyrs pour tous ceux qui sont tombés pendant cette guerre-là contre le terrorisme, et même d'autres monuments pour ceux qui sont tombés pendant, pendant la rébellion, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est une très bonne chose. mais généralement, c'est déjà de l'infrastructure, c'est après la guerre que ça s'est fait Oui, c'est après la guerre que ça se fait. Mais vous savez, il y avait eh, tellement l'émotion Il faut comprendre les autorités. C'est-à-dire que quand on apprend ce qui s'est passé à Inates, quand on apprend que le commandant, n'est-ce pas, a, refusé de, de quitter la base, il a préféré mourir plutôt que de quitter la base. Il ne faut pas qu'on vienne raconter que lui, il a fui. Quand on apprend ce qui s'est passé, on a envie, n'est-ce pas, d'honorer sa mémoire. Pour ses enfants, pour sa fille qui a fait un commentaire extrêmement émouvant. Moi, j'avais des larmes aux yeux quand, je quand, quand, elle parlait de son papa. Pour sa famille et aussi pour tous les militaires qui se battent. C'est ça le but, en fait. C'était pas que. Il faut pas attendre que euh, euh, la guerre finisse, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir, pour, pour, euh, honorer des gens qui sont, qui sont battus avec bravoure. Il fallait le faire tout simplement pour essayer de redonner un peu de courage à nos, militaires, pour qu'on puisse comprendre que non, eh, si vous vous battez, L'État ne vous oublie pas, la nation ne vous oublie pas. Et la preuve, je vous dis, c'est un monument qui va, parce que cette guerre-là n'est pas prête de finir maintenant, certainement, mais c'est un monument qui va être construit pour tous ceux qui sont tombés d'abord. Je parle des attaques au niveau de Karamga, Bosso, tout ça, tous ceux qui sont tombés pendant la guerre contre le terrorisme aux quatre coins du Niger, eh bien, tout cela, ils seront honorés. Pour moi, il fallait pas, on, on ne peut pas attendre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. Et il faut encourager les militaires à se battre. C'est-à-dire que l'esprit de fuite, il faut enlever ça de la tête. Donc, il faut magnifier la bravoure. C'est-à-dire se battre l'arme à la main jusqu'au bout. C'est ça qu'il fallait faire. Et c'est ça que je pense qui a guidé la, décision des autorités. Hussein Issa Jibo, après cet hommage, que faut-il faire euh, pour euh, penser les plaies des proches, familles, collègues, mais aussi pour encore plus d'unité chez tous les Nigériens dans cette épreuve vous savez, les Nigériens, dans leur unanimité, soutiennent hein, notre armée. Dans leur unanimité, hein, les Nigériens ont toujours soutenu, que ce soit les Nigériens qui sont dans les centres-villes comme dans les Nigériens qui sont dans les villages. Le problème qui se pose fondamentalement, il faut mettre les moyens à la disposition des militaires, des soldats qui sont sur le terrain. Ce n'est pas venir dresser une place de martyr ou dire que, parce qu'on dit, bon, c'est le colonel Hassan Aoutab, le lieutenant-colonel Félix Hassan Aoutab, mais il a des hommes. Le colonel seul, c'est avec des hommes, c'est des troupes devant lesquelles il est. Tout à l'heure, j'ai entendu Gary dire qu'il pouvait, on lui a dit de sortir. Non, il ne peut pas comme sur le terrain, n'est pas le principe de l'armée. Quand vous êtes avec des hommes, tant qu'il y a un seul homme qui est debout, vous devez, vous devez être là. Si vous devez évacuer, vous devez évacuer avec tous les soldats, mais pas avec un seul homme, mais vous devez rester sur le terrain. Il y en a qui l'ont fait peut-être ailleurs, mais le problème fondamental qui se pose, c'est que, moi je dis c'est bien, c'est bien d'encourager de cette façon-là. C'est bien d'encourager. Mais si on doit tenir compte de tout ce qu'on a vécu comme drame, comme, euh, euh, euh, je veux dire, manque de soldats, de policiers, depuis que cette salle, cette guerre-là a commencé, dans la région de dans la région de Maradi, dans la région, ça dit, il faut que ça ne soit pas une action ponctuelle concernant seulement une athèse. Il faut que ça concerne pratiquement toutes les régions d'IFA, toutes les régions où des soldats. Vous vous rappelez de, euh, l'île de Tarangam, où il y a combien de soldats euh, avant euh, Après l'île de Tarangam, il y a eu dans la région de Wallam, là, Tongo Tongo, à côté de Tongo Tongo. Il y a eu 26 soldats qui étaient en train de poursuivre des djihadistes et sont tombés dans une embuscade qui a été pratiquement massacrée. Bon, tout ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que ça ne doit pas se limiter parce que ça risque de susciter une frustration au niveau de ces familles-là. Si d'aventure, on ne met pas tout le monde dans le même paquet. C'est ça, en fait, l'enjeu. Ce n'est pas le fait de euh, se contenter de mettre seulement les gens de euh, Inates, les, les, morts, les victimes de Inates. Il y a eu beaucoup de martyrs depuis que cette guerre-là a commencé. Il y a eu assez, il y a eu suffisamment de martyrs il faut en tenir compte. Et ça, il ne faut pas aussi oublier les disparus, parce que quand on parle de disparus, ça veut dire que c'est des soldats qui sont ou soit morts, ou soit... Alors là, il faut en tenir compte aussi. Il faut ne pas susciter de frustration, parce que ces soldats aussi ont des familles, et quand la personne est encore décédée, au moins, on peut retrouver le corps, on peut l'éliminer, on sait au moins que la personne est morte. Mais quand on dit la personne est portée disparue, ça, ça pose sérieusement problème parce que dit qu'il n'y a pas de recherche. Karangam, ça fait combien d'années Ça fait pratiquement 4 ans, l'attaque euh, de l'île de Karangam. 4 ans, un peu plus de 4 ans. Jusqu'ici, les résultats, qu'on dise au moins ce pas, parce que Sarah ne peuvent même pas porter encore le deuil. C'est ça la difficulté. C'est bien beau de le faire, mais il faut le faire en recensant tous ceux qui sont tombés, l'arme au point, dans cette, seule guerre, cette sale guerre contre le terrorisme. Issa euh, avez-vous des informations sur cette nouvelle attaque terroriste entre Sanam et Abala Écoutez, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, parfois on est obligé de s'en tenir au bilan officiel que le gouvernement va donner. Parce que c'est ça, ce qui se passe, ce qu'on a aujourd'hui, tout le monde est devenu acteur de l'information. Et c'est ça aussi parfois que, sans, sans le savoir, nous sommes en train de de, faire la communication des, des, ennemis. Oui, de ces groupes armés non étatiques. Parce que les gens, vous donnez les morts facilement pour dire non, mort 17 aujourd'hui, on voit certains disent 15 morts, 17 morts. Non, attendez d'abord à ce que le gouvernement donne. Euh, eh, pas, il ne s'agit pas, seulement de faire un simple communiqué, il faut faire une conférence de presse pour expliquer comment ça s'est passé. Mais depuis que cette sale guerre, je vais <laughs> utiliser les termes de Husseini, depuis que cette sale guerre a commencé, Dites-moi une seule fois où, de la façon, même le, le Burkina qui a tout récemment, c'est que euh, le, Burkina Faso a mis en place sa cellule de communication. C'est une cellule de communication très efficace. Ils organisent des conférences de presse, ils utilisent les réseaux sociaux, les sites internet, et la presse est là à temps réel. Quand vous les appelez, vous avez l'information c'est pas la même chose. Aujourd'hui, le fait d'appréhender même euh, la question de l'information, ça aussi, c'est une problématique au Niger. Au Niger, il faut qu'on essaie de revoir. Par rapport à ce que je voudrais ajouter à cette attaque, vous savez, cette zone euh, d'abalade qui va jusqu'au plateau de Courfey, depuis des années, les gens ont dit écoutez, il y a comment on appelle, on a activé une bombe, mais qui ne s'est pas encore désintégrée. Il faut faire des actions les gens n'ont pas voulu croire. Vous savez, depuis euh, vers 2014 jusqu'à 2015, 2016, 2017, surtout 2017-2018, quand euh, le Niger, l'armée, c'était la grosse erreur dans cette zone du nord Tilaberi. C'était la grosse erreur de notre État. Le fait de monnayer la sécurité de frontières, cette collaboration avec les milices étatiques, les milices ethniques du Mali. C'était ça. Les gens, ils ont fait des massacres, ils ont commis beaucoup de choses, beaucoup d'impairs dans cette zone, jusqu'à ce que les gens se sont radicalisés. Et aujourd'hui, c'est quoi Ce sont des adeptes de l'extrémisme violent. On a, dit, on a décrit combien de fois les gens sont sortis pour alerter qu'il faut des actions. Et aujourd'hui, tout le problème de cette situation, c'est qu'on ne sait même pas en réalité qui, de qui il s'agit. Est-ce que ces groupes non armés, non étatiques, sont des produits de nos communautés est-ce des gens qui sont venus ailleurs et ce, qui encore euh, plonge l'opinion dans la confusion, c'est ce que c'est nos États, la position de nos États. Par exemple, le gouvernement nigérien est dans la même logique de lecture de la situation que les Européens. On dit toujours c'est du terrorisme, c'est du terrorisme. Mais est-ce que on a essayé de comprendre les méandres de cette radicalisation aujourd'hui qui a la base de ce test. Vous voulez dire euh, qu'il faut mener des études hein? il faut, il faut, Les études sont menées. Il faut prendre en compte les conclusions, les rapports. On peut ce n'est pas seulement les actions. Aujourd'hui, on voit les gens, c'est dans le discours, on parle, non, il faut accompagner la, guerre par des actions euh, de développement. Non, c'est seulement dans le discours. En réalité, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe Même la guerre, on le fait d'une manière où ça ne répond même pas aux normes. Aujourd'hui, on dit qu'il y a attaque il n'y a pas une promptitude dans la réaction. C'est quand on, le deuil va arriver, c'est en ce temps-là, on va essayer de donner des explications. C'est ça aujourd'hui qui fait en sorte que les gens sont frustrés par rapport à ce genre de partenariat. Mais, pour finir, moi je pense que dans cette situation, j'en appelle aux, hommes des médias. Nous avons une part de responsabilité dans le traitement de l'information. Comment il ça Il faut il faut que nous soyons plus responsables quand nous traitons l'information, quand il y a des attaques. Parfois, il ne faut pas que nous nous hasardons à dire oui, les malheurs, voilà. Il faut que nous, avec lucidité, s'il y a des victoires, parce que nous sommes en train de voir depuis hier comment le deuil que les Burkinabés portent après l'attaque de Abringa était manipulé par les des médias étrangers on ne parle que du deuil. On ne parle que du deuil. Alors qu'il y a 80 terroristes à côté de ce massacre. On, on fabrique aujourd'hui le deuil, on fait en sorte que ça amplifie et que ça crée la psychose dans les gens. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas cette information qu'il y a cette victoire à côté de ce drame, pour lui... Les 80 euh, terroristes euh, neutralisés. neutralisés. Pour lui, la situation ne, va, ne, ne fait que s'empirer. Il n'y a pas de solution. Et c'est ça le projet dont beaucoup d'intellectuels ont Ils font en sorte de créer la psychose pour que ces zones-là se vident de leur population. Toute cette bande, la bande nord tilabéry fait partie, y compris le triangle de luptako Gourma. C'est ça aujourd'hui ce que les intellectuels sont en train de dire. Quand vous feuilletez les rapports de l'ISS, vous allez voir beaucoup d'instituts aujourd'hui de recherche sur les questions de sécurité et de paix. Ils ont fait des études que nos États ne devront pas ignorer ils ont fait aussi des recommandations. Des recommandations, évidemment. Gare, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette attaque euh, intervenue euh, mercredi soir entre euh, Sanam et Abala Vous savez, on a beau dire, hein, je vous assure que cette guerre-là, on ne pourra pas la gagner tant qu'on n'emploie pas les moyens aériens. Je dis bien nos propres moyens aériens. Je vais vous dire une chose. Vous voyez une, une équipe de la CENI qui va dans des villages frontaliers avec le Mali. Mais ça, ça doit être couvert par, une, par, un truc aérien. C'est-à-dire qu'il va observer la zone s'il n'y a pas d'inquiétude. C'est en ce moment que les gens s'aventurent. C'est comme ça, c'est élémentaire. Moi, je n'ai pas fait l'armée, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, avant que les ne s'aventurent dans une zone dangereuse, il faut une couverture aérienne qui va ratisser pour voir qu'il n'y a pas des éléments suspects pour que tout ça, là, ça ne se fait pas. Et je vous dis, comme l'a dit Issa, la promptitude de l'attaque. Mais aujourd'hui, on est en train d'accuser les gens de véhiculer des informations qui ne sont pas officielles. Mais vous savez, en France, là, Dès que les Français, les 13 Français là sont, morts là, le chef d'état-major est parti sur les médias. Rapidement, ils ont recoupé, ils ont, ils ont regroupé les informations. On a fait une conférence de presse et il est venu y parler. Je vous dis, nous, jusqu'à présent, c'est la grande muette. C'est un problème, ça. C'est-à-dire que il faut communiquer pour ne pas laisser la rumeur se reprendre. C'est la moindre des choses. Mais il faut. L'attaque a eu lieu hier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un truc officiel. Est-ce que c'est normal, ça Et puis quand les gens parlent, on dit non, non, non. Pourquoi les gens. Non, les gens doivent pouvoir parler. Mais les gens veulent savoir ce qui se passe. Ça s'est passé hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de, y a pas de. a pas communiqué, il n'y a, rien, il n'y a pas de conférence de presse. Est-ce que ça c'est normal quand même? C'est notre armée qui Mais est-ce que ça c'est Notre que... armée n'a pas suivi l'évolution. Vous savez, et puis c'est malheureux aujourd'hui. Nous voulons. Le seul parler d'abord. Non, Voyez par exemple, en matière de communication, ce que les Burkinabés ont fait. Quand ils ont tué les terroristes mais ils ont montré les corps, ils ont pris des photos, ils ont. Il y a même les vidéos qui circulent mais, ils, mais ils font ça exprès, parce que ça fait de la propagande, parce que c'est comme ça que les terroristes font. Pour avoir... Quand tu tues nos soldats, ils, ils, balancent les, images. Mais nous, quand on les tue, nous, nos, nos, militaires ne veulent pas montrer les images. On ne veut pas montrer ça sur les réseaux sociaux. Non, il faut les montrer. Il faut les démoraliser aussi. C'est comme ça que ça marche la guerre. Il faut montrer les terroristes qu'on a neutralisés. Il faut les filmer avec des caméras et puis les montrer. S'il faut même sur la, télévision nationale, montrer que ça, ça donne de l'espoir au peuple, ça donne encore du, courage aux militaires. Il faut montrer ce que vous tuez. Vous n'allez pas passer ça sous, silence. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait de la communication. Mais je suis désolé. Euh, Issa rapidement. Non, c'est pour abonder dans le même sens. Il faut que aujourd'hui notre armée se transforme pour répondre vraiment aux besoins hein, d'information. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On ne peut pas être avoir cette armée qui est toujours assimilée à la grande maintenant, il faut communiquer. Il faut communiquer. Par exemple, avant, vous avez vu la descente du chef d'état-major Burkinabé. C'est extraordinaire. C'est ça où ça remonte le moral des troupes. Et son, déplacement sur Arbinda. Et pas seulement des troupes. Hein. Aujourd'hui, il a réveillé le sursaut patriotique chez les Burkinabés. On sait que on a une armée qui est prête à défendre l'intégrité du territoire. L'armée a des caméras, l'armée a des photographes. Mais il, faut, filmer, il faut nous montrer. ça nous encourage quand on voit les terroristes morts. C'est ça qui nous plaît, nous. Bon sang, c'est pas secret que les terroristes tués. Il faut nous montrer les images, il faut nous montrer les vidéos, bon sang. Mais non. Parlons à présent de l'écho, la nouvelle monnaie. Le président ivoirien Alassane Draman Ouattara, qui revenait d'Abuja au sommet de la CEDEAO, a annoncé que l'écho remplacerait le franc CFA, d'abord au sein des huit pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, dont il est le président en exercice. À Abuja, justement, samedi, les chefs d'État de la CEDEAO ont choisi le symbole EC pour désigner l'ECO et la BSAO comme la banque centrale de cette nouvelle monnaie. Issa Jibo, que peut-on retenir au sujet de cette monnaie unique de la CDAO S'agit-il d'une monnaie de la CDAO ou de l'UMOA non, mais bon, je vais d'abord intervenir sur le point là, par rapport un peu au soutien des, troupes qui sont sur le terrain. Je suis entièrement d'accord avec ce que Gary a dit, parce qu'on ne m'a pas passé la parole. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, quand il y a des morts, il ne suffit pas d'annoncer qu'on a tué tel nombre. Il faut aussi les montrer il faut dire voilà le nombre de djihadistes qui ont été tués dans les combats. Mais qu'on se contente simplement de dire ça ne peut pas convaincre l'opinion qu'effectivement, la lutte là est en train d'être menée et comme avait dire, qu'il y a une victoire, on est en train de prendre le dessus. Maintenant, pour revenir à, à ce qui, qui, qui, est de, à ce qui concerne le moi je pense qu'il y a un problème à ce niveau. C'est un mouvement d'ensemble qui est engagé, un mouvement d'ensemble avec euh, des pays qui ont déjà leur propre monnaie, des pays anglophones notamment, comme le Nigeria, comme euh, le Ghana. Ce sont des pays quand même économiquement forts. Maintenant, il y a des présidents qui ont été nommés pour conduire la task force, comme on dit, mais on constate que euh, le président Macron, qui dit qu'il ne comprend pas comment euh, les gens ont pu faire la colonisation, mais il est un fruit de la colonisation. pourquoi il veut maintenir Pour dire que, parce que c'est juste un changement de nom. Tout ce qu'ils ont annoncé là, ça ne tient pas la route. Que les pays peuvent retirer leurs réserves d'échange qui sont au niveau de la Banque centrale française. Moi, j'ai dit, c'est juste pour un peu endormir les consciences euh, en Afrique. Aujourd'hui, c'est une frustration qu'on crée parce que les anglophones sont prêts à abandonner leur propre monnaie qui, qui, leur ont permis de se développer. Et comment voulez-vous qu'un président comme Ouattara décide à la place de tous les autres chefs d'État, de lui moi-même, pour dire que bon, le co va entrer en vigueur, ils en seraient ça à avec Macron. Mais s'ils le font, ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect même pour les autres chefs d'État de la sous-région, de l'UMOA, je veux dire. Les autres chefs d'État de l'UMOA, c'est comme s'ils ne comptent pas. Quand vous faites une démarche, dans une marche d'ensemble, c'est ensemble que vous allez aboutir. Mais vous ne pouvez pas vous détacher ou un seul président se détache pour dire, bon, je consacre l'avènement de, de l'école. Vous donnez quel résultat C'est juste le nom qui a changé et qu'on dise qu'on va arrimer l'école qui va être créé, va être arrimée à l'euro. Mais on, le retour à la carte départ, quel changement y a-t-il C'est juste le changement de nom. C'est juste le changement de nom. Les dieux vont peut-être changer. Mais qu'est-ce qui va changer fondamentalement Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les matières premières, c'est chez nous, dans nous. Ce n'est pas de l'autre côté. Et si la France tient coûte que coûte à ce qu'elle euh, soit encore prépondérante dans le cadre de la gestion de notre monnaie, le pas, ou du moins l'écho, c'est parce que tout simplement, ça va lui faciliter la tâche en matière d'achat de ressources premières. Il n'aura pas besoin, et la France, elle n'aura pas besoin plutôt de venir de monnaie. Nous, nous sommes obligés, quand on va là-bas, de monnaie, de, de monnaie CFA en, en, euros pour pouvoir acheter. Et l'éco aussi, ça va être la même chose. Comment voulez-vous que les pays anglophones qui commercent avec un peu partout les, grandes nations dans le monde, comment voulez-vous que ces pays-là Il faut que ça soit une monnaie fluctuante. C'est-à-dire que c'est pas avec euh, un taux de convertibilité fixe avec l'euro, ou même quand tu prends les côtes, tu vas, il faut d'abord convertir ça en euros avant de pouvoir. En tout cas, tu quittes ton pays, si tu n'arrives pas à convertir ça en euros ou en dollars, tu ne peux pas faire des achats en Europe. Ça n'a aucun sens. On, est toujours à la même place. Moi, je pense que c'est une insulte à l'endroit des d'autres pays membres de la CEDAO. C'est une monnaie de l'Union, et, comme avait dit, de, deux mois C'est une monnaie. C'est juste la dénomination, c'est peut-être la couleur de la monnaie qui va changer, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que quand ils disent qu'ils sont prêts à garantir, même en cas de déficit, en cas de crise économique grave dans les pays, ils sont en mesure de prendre. Non, mais ça ne va pas se faire gratuitement. Depuis quand ils sont devenus bons samaritains pour pouvoir prendre nos pays où les économies fonctionnent mal, où euh, la gestion des finances publiques fonctionne mal. Comment voulez-vous qu'ils prennent ça en charge comme ça, sans contrepartie Ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens. Issa Madougou, dans le communiqué final, la conférence d'Abuja adresse ses félicitations au comité ministériel pour le progrès enregistré dans la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la CDAO. Peut-on finalement dire que le projet est en bonne voie Écoutez, moi je pense qu'il faut, il faut dissocier la bourde de Ouattara et la dynamique impulsée par les pays membres de la CDAO. Vous vous rappelez, depuis le sommet de 2014 de la CDAO qui s'est tenu à Dakar, le président nigérien et le président ghanéen ont été chargés de conduire le processus, la task force sur la monnaie unique de la CDAO. Ils ont travaillé depuis depuis que l'autre président ghanéen qui avait fini son mandat et Nana Akufo-Dankwa a pris. Lui-même, il a continué le travail. C'est pour cela que vous voyez les incessantes visites entre les chefs d'État, soit le vice-président ghanéen vient au Niger, ou bien le président nigérien se déplace. Il y a tout un comité qui est là, et c'est eux qui chapeautent ce comité technique, composé des experts issus de tous les 15 pays de la CDAO. Ce n'est pas la même chose que ce coup d'État économique que Ouattara voulait imposer au pays de l'Est. D'ailleurs, l'écho dont Ouattara parle, il a sorti l'écho d'où C'est le fruit, c'est non, non, il faut que les gens soient, il faut pas que les gens soient bernés par rapport à ça. Nos États ont décidé en toute sévérité. En 2020, si vous vous rappelez, le dernier sommet de la CDAO, ils ont fixé l'année 2020 pour commencer. Comme date butoir. Date butoir. Maintenant, ils sont déjà dans le processus d'harmonisation. Ils ont déjà lancé, si vous vous rappelez, le logo même de la monnaie unique. Le concours a été lancé ici, à Niamey, au palais des congrès. Donc, ce que Ouattara fait, ça n'engage que Ouattara. C'est pas parce que il pense qu'il est président en exercice de lui au moment qu'il commande les offres. Il n'est pas C'est le moteur de, la BCAO. De Quel moteur de BCAO Non, non, non, non s'il vous plaît, Mokhtar. Il faut que les gens soient réalistes dans ce qu'il est en train de faire. Un Ouattara ne peut pas venir imposer à 15. Soit disant maintenant, il a fait écarter les autres pour dire que non, avec Ouattara, et euh, avec Macron, qu'il parle au nom des pays les huit pays de l'UMOA. Mais depuis quand l'UMOA avait tenu un sommet extraordinaire sur l'harmonie ou le changement de monnaie Leco, même dans le passé, c'est qui a été, c'est le nom de la monnaie unique de la CDAO, avec le logo qui a été décidé. Donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut que, il ne rentre même pas dans l'histoire de parité. Non, non, non. Ça n'engage que ce que Ouattara a dit. Et j'espère, j'espère J'espère que nos chefs d'État seront assez lucides pour ne pas tomber dans ce piège. Aujourd'hui, nous sommes en période de mondialisation et d'échange. Gary Amadou, à ce sujet, quelles peuvent être les attentes des populations des pays membres de l'espace CDAO D'abord, les populations des pays membres de la CDAO sont quand même assez. ont été choquées par l'extrême fourberie de Alassane Ouattara. Parce que c'est de la fourberie, ça. C'est-à-dire que lui, il parle de traité. Non, il a été fourbe. Lui, Macron, il sait ce qu'il veut. Alors, quand on sait que Ouattara n'était même pas d'accord qu'on puisse enlever le, changer le CFA. Il n'était même pas d'accord. Hein. Et bonnement, avec une conférence avec Macron, on voit Macron, on voit euh, Ouattara champion de l'écho qui vient qui annonce que non, on va instaurer l'écho. Toi qui n'es même pas pour le pour qu'on enlève le CFA, tu l'as dit, tu l'as répété, tu dis que c'est une bonne monnaie, c'est toi qui vas venir. Et puis ils dit, et puis oui, ça l'a dit. Il y a deux chefs d'État qui ont été désignés pour la monnaie unique de la CDAO, pas la monnaie unique de l'UMOA. C'est pourquoi je vous dis qu'il a été fourbe. Il a trahi l'Afrique de l'Ouest. Il dit non, non, la monnaie, il dit, non, la monnaie de l'UEMOAN. Mais non, Minamé, c'est pas, pas vrai. C'est un attentat qu'il a fait, c'est un coup d'État qu'il a fait. Il a coupé l'herbe sous les pieds des chefs d'État. Et ce qu'ils ont fait à Abuja, là, c'est une façon diplomatique de dire on n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. C'est une façon diplomatique. Il est venu, il a mais il n'a convaincu personne parce que le but de la monnaie unique, c'est que soit la monnaie unique la CDAO avec le Nigeria et le Ghana. Et vous pensez que le Nigeria et le Ghana vont accepter Mais si c'est pas que si c'est pas de l'irresponsabilité, vous avez vu un pays dire que non, un autre pays va se porter garant de sa monnaie, ça c'est l'irresponsabilité. Le, truc qu'il invoque là, l'inflation. Mais l'inflation et la déflation en matière économique, je ne suis pas économiste, mais ça fait partie de la dynamique économique, c'est comme ça. Donc, c'est pas, il ne faut pas qu'on vienne dire, ah non, non, euh, euh, la France va se porter garante, comme ça, non, il n'y aura pas l'inflation. Non, qu'il y ait l'inflation, après il y a la déflation, c'est comme ça les dynamiques économique. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Gary Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste freelance, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune de Studio Kalangou euh, sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum à Hausa et Anzarma. Merci, au revoir. thank you